Les accidents de la circulation continuent de faire des victimes, une situation due à plusieurs facteurs dont l'indiscipline sur les routes, le manque d'entretien des véhicules, au niveau de la pneumatique, entre autres, nous disent respectivement le secrétaire général du ministère des Transports, le directeur de ANAZER et de FHSA. Que 6% des accidents qui ont lieu sur les autoroutes sont dus aux éclatements de d'excès de vitesse, téléphone en, utilisant le téléphone au volant. Les gens... 70% des accidents sont dus à de mauvais comportements. Mauvais comportements, ce sont des vitesses excessives, abusives. Mauvais comportements, ce sont des utilisations des voies de circulation qui sont faites de manière erratique ou chaotique, je dirais dit, et qui génèrent un certain nombre d'accidents et pour lesquels la plupart sont graves, voire très graves. Face à ces désagréments sur les routes souvent mortelles, FH et Anazer ont lancé depuis Dalifor une campagne de vérification gratuite des véhicules pour sensibiliser les usagers qui fréquentent souvent l'autoroute à péage durant cette période de magal de Touba. Donc cet événement, c'est une manière de montrer que l'autoroute et son concessionnaire sont partie prenante dans tout ce qui est sensibilisation, puisque la partie répressive reste du ressort des services de l'État et la gendarmerie en particulier, le changement de comportement, le respect du code de la route, dont l'interdiction de circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence sont également sollicités par ces autorités. Donc, à la vigilance de chacun, comportement adéquat sur nos routes. Et le premier comportement le plus adéquat, respect de limitation des vitesses. L'autre point, c'est la pneumatique. Faites attention à la lumière, à la luminosité, parce que beaucoup voyagent la nuit la question des bandes d'arrêt d'urgence. Les bandes d'arrêt d'urgence sont faites pour les interventions des corps dédiés. Elles ne sont pas faites pour la circulation des véhicules ordinaires. Et pour accompagner les usagers, EFAGE compte installer des radars sur l'autoroute à péage. EFAGE a, fait l'acquisition d'un radar mobile qui a été utilisé à maintes reprises. je pense qu'un certain nombre d'automobilistes l'ont constaté sur le bord de la chaussée. Cette année, nous allons être équipés d'un autre radar, un radar supplémentaire qui sera lui installé sur des postes fixes, donc à trois emplacements distincts, et qui permettra donc de la même manière de contrôler la vitesse des usagers, mais aussi de contrôler et de vérifier le port de la ceinture, voire l'utilisation du téléphone. Un magasin sans accident, c'est l'objectif de FH, avec l'initiative de ses employés à travers le slogan Karangeyon yite » accident yi mu ngi wër di wéy li ko waral suñu sukkandiko ci secrétaire général ministère bi ñu dénk wàllu dema dikk bi ak directeur ANASER ak bu Eiffage mooy ñàkk respecté code de la route waaye léeg-léeg sax nit ñi di bañ di entretenir seen oto yi lu ci mel ni pneu yu bon yi ñuy monté jàngat li mooy li ëpp ci accident mortel yi am yi lu ci bare bokk ci autorité yi excès de vitesse yooyu mu dafay indi éclatement de pneu mooy pneu bi day toj oto bi dérapé mu indi ki mun contrôlé mu indi jéye mu indi ay bakkan yu ci faatu léeg-léeg nag dañuy négliger pono yi te nag négliger la musiba nekkee jéye lay jur chiffre yi ñu wax sànq wane na ne accident yi na dayoo ñuy wax ne ne lu toll si 6 pour cent si accident yooyu sax pneu bon yi moo koy def looloo tax ngir wàññi nag accident yooyu nga xam ne léeg-léeg sax ay nit dañ si ñàkk seen bakken Eiffage ak ANASER ñoom lëkkaloo nañ seen doole ci diwaanu Dalifort daal di tàmmali benn campagne boo xam ne dañuy saytu oto yi defal leen entretien ci jamono bi nga xam ne ñoom ñu ci bëri dañuy jaar ci autoroute à péage bi ngir mën a dem Touba màggali ji gërëm di sant lool Eiffage autoroute de l'avenir C'est une initiative propre donc euh, liñ ci jublu soppi tamit respecter code de la route te tamit jal, a ci bande d'arrêt d'urgence yi l'autorité tamit di sàkku ci ñi nga dawal ne otayi. yi di ñaax respecter les limitations de vitesse ñu pas excès de vitesse yi ñuy di dawal di téléphoner di whatsapp di déglu musique ak ko ah il faut nga xol ndax fana yi parce que di nga daw maa ngi ñaax conducteurs yi ñu vérifier seen pneu te bu soobee yàlla dañuy ñaan yàlla yàlla muccal ñu ci accident waaye nag suñu comportement ma ñuy may loolu. ay bande d'arrêt d'urgence. boo gëlee autoroute bi. ay tali nga am droit daw maanaam. ñaari voie la ñetteel bi nag mooy bi nga xam ne ligne continue la ñetteel boobu. loolu du dawukaay. kaw loolu sax Eiffage moom mi ngi xam ne dina installer ay radar ci autoroute à péage bi. Eiffage a

màggal bu dul am accident loolu la Eiffage bëgg lëkkaloo ci ak ay liggéeykatam jàllale ko ci benn slogan bu ñuy wax kaaraange yoon sunu yiite.